il est reconnu que son immunité parlementaire a été violée et qu'il a été en détention arbitraire. Or, du point de vue des droits humains et des droits de l'homme, une détention arbitraire ne se régularise pas. On doit y mettre fin, je le répète, tous les jours. Et l'institution judiciaire est garante des droits et des libertés individuelles et du respect de la loi. Par voie de conséquence, des juges qui sont en face, qui ont un dossier dans lequel il est clair qu'il y a une détention arbitraire et une violation des droits de la personne, devraient immédiatement procéder à la libération. Peu importe la prévention qui a été visée et qu'il est appelé à juger. Cela ne l'empêche pas de poursuivre son procès, de juger et si maintenant il se dit qu'il y a une déclaration de culpabilité, s'il veut, il décerne un mandat de dépôt si la personne est présente ou un mandat d'arrêt si la personne ne s'est pas présentée au moment du jugement. Nous avons montré à la Cour que c'était une obligation qui s'imposait à elle. D'abord le traité révisé de la, de, de, la CDAO. La Cour l'a ratifié. Et le traité révisé dit que les décisions qu'il est institué une cour de justice de la CDAO où ne siégeront que des magistrats indépendants, juiciens d'honorabilité et d'une expérience professionnelle avérée et reconnue. Donc, ils ont dit qu'avec cette cour, que les décisions qu'elle aura à rendre, les États s'engager à les respecter immédiatement et que les arrêts rendus auraient une force obligatoire la CDAO est revenue sur le règlement de la Cour. Lorsque la Cour a été composée, pour reprendre encore dans ce règlement une disposition importante en rappelant que les arrêts qui, qui seront rendus par cette Cour seraient des arrêts définitifs qui ne seraient pas susceptibles d'appel et qu'ils s'imposeraient immédiatement aux États qui ont l'obligation de les respecter dès qu'ils sont rendus et immédiatement. Donc là, c'est clair. Et nous avons le protocole aussi de la Cour qui toujours pour des États atteints de surdité, pour leur dire que les arrêts de la Cour sont obligatoires dès leur prononcé. Donc vous dites que vous voyez qu'en droit, la Cour n'a pas raison. Quand la Cour dit effectivement qu'elle attend qu'on lui envoie euh, l'arrêt, dans la mesure où la Cour est une institution de la République du Sénégal, et la République du Sénégal est État parti, ils sont censés suivre toutes les activités de la communauté. Ils sont censés être au courant et à jour de toutes les activités de la communauté. Voilà le sens et la portée du règlement de la Cour qui dit que les arrêts sont obligatoires dès qu'ils sont prononcés. Il ne dit pas dès qu'ils sont notifiés ou dès qu'ils sont signifiés. Il appartient aux États d'être sérieux et de suivre les activités de la communauté et les institutions de la communauté. Donc voilà, il faut qu'on soit précis. Et puisque c'est obligatoire, alors si on est dans un état de droit, un état démocratique, un état qui respecte ses engagements, un état qui n'utilise pas la force et la brutalité envers ses citoyens, il est temps, il est temps, il est temps qu'il libère Khalifa Babakar Je suis revenu aussi sur un autre point. C'est en fait que attendre euh, l'arrêt alors que le jugement qui est querellé et dont on nous demande de commencer, effectivement, sur lequel on nous demande de nous, de nous expliquer, j'ai lu la disposition. C'est le premier juge qui a dit que les avocats de Khalifa Sal et autres ont soulevé le droit à un procès équitable de leurs clients. D'un revers de la main, il l'a évacué. Donc si aujourd'hui, on remet un acte authentique venant d'une juridiction internationale, régionale, où en fait il est marqué que le droit à un procès équitable de ces personnes a été violé, à partir de ce moment déterminé, si on nous demande de plaider, on nous prive de facilité pour développer nos arguments. Parce qu'on sera obligé de développer les arguments qu'on avait développés en première instance ou les arguments qu'on a développés au niveau de la Cour et peut-être que la Cour a été plus pertinente, n'est-ce pas, que nous, euh, dans, dans, sa décision. Parce qu'on peut soulever des arguments, il les rejette et trouver d'autres arguments plus pertinents et plus conformes, effectivement, au respect des droits de l'homme. Donc personne ne sait. Il faudrait donc être sage. J'ai dit qu'un juge doit être empreint de sagesse. Ce que nous voulons, c'est le respect de la loi, c'est la justice, c'est l'équité il ne faut pas y avoir d'équité sans sagesse. Donc, nous avons invoqué les dispositions, notamment les principes et directives du droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, de la Commission africaine des droits de l'homme sur l'impulsion de l'Union africaine. Et il est dit dans le préambule que l'Union africaine est préoccupée et qu'il voudrait que les principes et les directives soit introduit dans les législations internes pour garantir à toutes les personnes poursuivies d'une accusation pénale les droits minimums. ce sont des directives. Et ils ont dit que chaque personne accusée, victime d'une accusation pénale, doit bénéficier des délais et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Est-ce que cet arrêt ne nous facilite pas dans nos arguments sur le droit à un procès équitable donc s'ils nous le refusent, cela veut dire qu'ils sont en train de violer encore les engagements qu'ils ont pris sur le plan international. Enfin, je viens de, déposer aussi, de soulever devant la Cour une exception d'inconstitutionnalité. Et il faudrait vous méfier dans les communications. On peut dire que c'est du dilatoire. Non, ce n'est pas du dilatoire. Un, nous nous attendions à un renvoi parce que c'est ce qui est juste et équitable. On nous l'a refusé mais de deux encore, la loi organique sur la Cour suprême ainsi que la Constitution révisée ne dit pas à quel moment des débats on peut soulever une exception d'inconstitutionnalité devant la Cour d'appel. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'à tout moment, lorsque cela s'impose, une exception d'inconstitutionnalité est recevable devant la Cour tant que les débats ne sont pas en fait clôturés. Et cette exception, j'ai eu à parler, à développer longuement, c'est fondé sur le fait que la loi sur le blanchiment en son article 2 n'est pas constitutionnelle et n'est pas conforme à la Constitution et qu'il viole le principe de la légalité des crimes et des délits, vous m'avez entendu dire en quoi cela faisant. Deuxièmement, que l'article 155 viole non seulement la présomption d'innocence, mais pousse les personnes comparaissant devant une juridiction euh, de jugement à une auto-incrimination. Et le Sénégal a signé le statut de Rome où en fait il est dit que nul, que nul ne peut bénéficier d'un procès équitable si en fait on le pousse à l'auto-incrimination. Ce texte dit si avant jugement. Cela veut dire que même en cours de jugement, si en fait vous reconnaissez votre culpabilité, en remboursant, en restituant, en fait, de ce moment déterminé, vous bénéficiez des sursis et des circonstances atténuantes. Donc il y a aussi la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Et là, c'est au Conseil constitutionnel bon, d'apprécier. Donc voilà en, résumé. Et je pense que c'est très compréhensible les éléments qui sont développés ce matin. gi nga xam ne moom mooy waajal euh, procès bi dëgg dëgg dëgg donc euh, avocat yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog euh, état du Sénégal tey défendre appelant ñenn ci appelant yi waa mairie Dakar ñoom dañuy ñaan ñu dàqandi procès bi donc ci loolu lañuy ñuy yëkkati ay ay lay yi mbaa ay maanaam seen liñ fi nga fi yaakaar ne fa lañ ko mën a teg njëkk nañ ko ñaan tri cour bi dàq ko léegi ñu ngi invoqué décision bu ñu rendre fële ci CEDEAO pour euh, wax ne euh, soit dañuy bàyyi ki ñi nga xam ne ñoom la ñuy topp mbaa boog euh, ñu arrêté procès bi mbaa boog ñu may leen ba arrêt boobu yegg si donc cour bi nag moom li mu wax mooy appel bi nga xam ne moom moo ko fi indi seexul dara ak li xew ci CEDEAO te li xew ci CEDEAO heure bu yegsee rek bu fekkee ne am na loo xam ne lii amal na leen njëriñ lu ñu yaakaar ne cour bi soxla na ko bu boobaa dina leen may ñu plaider ko mais ñoom déggee wuñ ko noonu liñ bugg daal mooy ñu bàyyi leen ñu xaar ba arrêt boobu ñëw kuur bi nag nee na moom xaarul dafay continuer ñun loolu dañ ci ànd ak cours